Après le réseau urbain, qui a toujours été notre euh, cheval de bataille, qui s'est étendu en banlieue, en haute banlieue, avec la démocratisation du transport public, montrant que le Sénégal ne se limitait plus à Dakar, dans l'esprit et la tête de gens, par le projet Sénégal Demdik, lancé depuis 2017, qui a connu son succès, Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un autre projet, à savoir l'Afrique d'Emdic, rendre réel le projet du chef de l'État, à savoir la liberté d'aller et de venir et la réalité de la CDAO. Aux yeux du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Maître Omar Youm, cette cérémonie est donc extrêmement importante parce que c'est une cérémonie qui marque le début du service que Dakar Demdik, société privée à capital essentiellement détenu par l'État du Sénégal, que donc cette société offre au reste de l'Afrique. C'est un nouveau défi à relever. Ce n'est pas le Sénégal, c'est en dehors de nos frontières. Dakar Demdik s'est ouverte à l'intérieur du Sénégal avec le service réputé, connu, apprécié par les Sénégalais, le service de Sénégal Demdik. Dakar Demdik s'est consolidé dans le périmètre de la région de Dakar. Et vous avez tous suivi l'insistance avec laquelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé au ministre Elage Omarium d'accorder une attention particulière à travers le conseil d'administration, mais surtout avec le directeur général et toute son équipe, pour faire en sorte que très bientôt, Dakar Demdik continue à offrir un meilleur service aux citoyens de la ville de Dakar, de la région de Dakar, Afrique Demdik. Aujourd'hui, c'est Banjul. Demain, ce sera certainement Bissau ce sera sur le corridor vers Tanger, ce sera vers Noachot certainement. Et nous souhaitons aller chez le directeur général parce que vous êtes très ambitieux. Pourquoi pas aller vers le Maroc Sur l'autre corridor, vers Bamako. Sur l'autre corridor, vers Abidjan. Le Sénégal est en train de s'ouvrir au reste de l'Afrique aujourd'hui plus que jamais. tey kay dama dama kontaan daal rek maa leen remercier daal. Sénégal Gambia mm, ñoo bokk ndey ak baay waaw Sénégal Gambia ñoo bokk ndey baay tey fu ma nekk nii dama over kontaan kontaan naa trop trop trop trop billaay